dañu bëgg xam fan la document bi jógee. Mhm. bu dee fekk nañ la nga yore document bi. mën nañ la topp ba ñu remonter la source ba xam fan la document bi jógee te document bi. Mhm. diggante directeur directeur euh, général de l' administration pénitentiaire ak ministre de la justice mais si c'est les deux qui sont aux extrémités chaîne bi lañu wara xol kan moo ko mën le fofu mom lañ koy laaj. ci enquête bobu lañu nek mais ñu wax ci. mais légui mom comme comme Fatou l'a dit si il dit que bon je l'ai repris sur la page Facebook de Ousmane de Juan Branco fa lay mbir mi di non amoo droit parce que Ousmane euh, parce que Juan Branco il est en France kenn mënu koo topp. mais On war ko publier c' à dire le principe c'est un principe de sauvegarde de de de la confidentialité. léegi léegi loolu lan la ci état wal parce que. aussi xam nga pas la première fois. am na fi loo ak. Pape Alé Pape quand même arrêté On nañu ko fi ba téye ko fi maintenant je termine major. Ah. lan une solution bi ba nga xam ne ces dossiers classés secret non mais mais déedéet c' est à dire que xam nga tamit une administration mënuloo yor des documents classés secret. Mhm. ba pare waxuma sax ci ki mu jot. ci ki mu y mais mais yow administration les gens font fuiter ça parce que qui ko fuiter on va les connaître hein. oui l'État non l'État va nous avons une cybercriminalité très très pointue ils vont tout trouver même si vous êtes à l'anonymat de de de de de vous utilisez d'autres portables parce qu'il faut que tu utilises un portable et ce portable là même si vous puce bi daf ci puce portable avec le SIM là avec le code l'email là mais du point de vue étatique est-ce que tamit duñ doon def ay sanctions au sein de l'administration non il faut les trouver parce non seulement ils seront radiés Mané ne ko def ci dañ lay mhm. tu seras radié et mis en prison c'est-à-dire euh, le problème là était un problème bo xamné xam nga qu'est-ce qui se passe euh, finalement c'est un non-respect des principes de droit de l'éthique et de la déontologie qui qui scie sur la gestion humaine même parce que boo demee ba yow kenn ki nekk kaso et tout ça nga bëgg a justifier Blanco maître Blanco jël le relais naan dama ko justifier maître Blanco il est en France comme le terrorisme si un élément de Al-Qaïda te donne des éléments de terrorisme. nga nga indi ko Sénégal. mais c'est la même chose ah. Quelqu'un te donne des, choses infractionnelles en Europe. Mais ce que Juan Franco a fait au Sénégal, si un Sénégalais l'avait fait en France, d'où donne Nibisi. Mais, mais non, on a vu le eh, cas eh, de, eh, la de Feu Lamine Diak. Non, la coopération internationale, mais Sénégalais, il faut faire Nibisi. Mais Lamine Diak, Sénégal, il y a un pour Mounio au Sénégal. Oui, mais euh, Lamine Diak, ce n'était pas un seul pays. <laughs> C'était ah. CIO. CIO, c'est une organisation mondiale. Ah, là-bas, aucun pays n'a l'autonomie. Et puis la, législation de la mmh. n'était pas une législation de droit comme au sens étymologique du terme. Mm. Parce que c'était des histoires de droit en leur Mais Major, est-ce que cela, est-ce que cela du jox dëgg ñu jàpp ne deux poids deux mesures. parce que à un moment amoon na fi ay images ay vidéos sànq jonte wax na ko Ousmane Sonko et même bi nga xamante ne dañu ko dañu ko dañu ko tuur li nga xamante ne mooy benn liquide. mais pour oui non non pour non je parle pas de. je parle pas je parle ko de ci oto bi la waxuñu loolu. c'est-à-dire la diffusion de données à caractère personnel waaw parce que boobu aussi. la diffusion de données à caractère personnel wax nañu son état de santé. le parquet ci boppam. def na conférence de presse détailler le, bulletin de santé de Ousmane On avait accusé l'État d'empoisonnement. est-ce que ça donne le droit au parquet de diffuser l'état de, le bulletin de santé de soins Le président, le procureur de la République est le seul capable et, que la loi autorise à parler d'un dossier médical, à parler de la contenance d'un procès verbal. S'il est le seul capable de le faire, parce que lui, le maître de l'action publique. D'accord. C'est un fait jusqu'à ce que ça rend la licite et conforme de droit. Il ne faut pas c'est les gens sous-estiment c'est que c'est un procureur de la République. et est-ce que l'État toujours, bien sûr ni quand même dañu yegg des judiciarisation de l'espace public. non pas pas euh, quand même des arrestations pour des publications sur des non mais mais sur des réseaux sociaux. non c'est plus grave les réseaux sociaux que l'acte direct. que les réseaux sociaux atteignent impactent une une forte masse de personnes c'est pour ça que c'est contrôlé et les sanctions sont dures. Quand vous êtes aux États-Unis, en France, mm. mais vous ne le faites pas. Quand vous êtes dans le système des Nations Unies, donnez chérie, je t'aime. Dans le, dans le, mais dans les réseaux sociaux, Major, Sénégal, <laughs> justice, je dois comprendre. Parce que, par exemple, au Mali, une star comme Diabassora, Sora, bi mu taxawé yëkëti ay saga dañ ko ci Sénégal les réseaux sociaux da ngay gis nit di saga monde mais du dara du. L'injure publique est un délit et que maintenant il y a la question préjudiciable, la victime doit porter plainte. C'est la question préjudiciable à l'action. Non, c'est-à-dire qu'il faut que yéen ngeen am habitude Dans dafa nag rek. Euh, euh, procureur de la République le procureur war na autosaisir. il est saisi il est saisi warul xaar tout tout simplement parce que dans nga soo saaga ci réseaux sociaux. mu mu non mais pourquoi à chaque fois. mais loolu chaque jour non da lay jàpp non ñu saaga nekk Sénégal. Deux, yéen vous trompez nekkuñu Sénégal il faut aller voir il est à mais de eh ah, non non je voudrais parler un peu de la proposition de la des solutions mais la solution ce n'est ni plus ni moins que de dépolitiser l'administration sénégalaise c'est ça parce que l'administration par essence doit être une administration neutre. Mhm. donc tu dis, wax on a une chaîne boo xam le courrier bi mais loolu bu pas ko espace politique bi ñu de dinañ parce que ñu bëri ci espace politique bi <laughs> présentement administration. mais mais c'était pas le cas il y a quelques années. Ah. mais aujourd'hui on a entendu des gens dire que directeur directeur national le directeur général ne gagné pas sa localité dans les watches. Mhm. donc ce n'est plus la compétence il faut gagner ta localité pour gagner ta localité c'est quoi il faut débourser de l'argent da ngay jël xaalisu pour dem gagner sa localité. vice versa aussi pour les opposants tëj non, seen bureau déedéet. non non tëj leen seen bureau non parce que en réalité il faatu a pas am nga lan la non non ci administration. non mais non d'accord mais ce que je veux dire déedéet déedéet ce que je veux dire. Ça dit dire que un poste de directeur général ou un poste de directeur le premier critère ça doit être la compétence. ce n'est pas ta capacité à gagner ce n'est pas ta capacité à gagner ton, ton truc. Bon, euh, euh, malheureusement, malheureusement, je crois que j'ai été, j'ai été le moins servi ah, merci en, en, termes de temps. Vous, la répondez, oui, répondez. La oui, Major, répondez à la dernière question de Ndeye Fatou. Oui, bien doon wax ci. Mais fonctionnaire Major, il faut ñu mottalil le temps de parole bien sûr proposé pour pour report de la présidentielle de 2024 mais les conditions ne sont pas réunies pour nous tenir la présidentielle en, février. Ça n'engage que de la déclaration. il parle pour tout le monde. Ah non, il ne parle, pas pour nous. il ne parle pas pour nous. <laughs> Mhm. Euh, report de l'élection, je pense que les Sénégalais ne veulent même pas qu'il y ait un report de l'élection. Dans tous les cas, ils voudraient qu'il y ait, qu'on une élection, ni ci war a bokk yëpp dañ ci war bokk te Ousmane Sonko daf ci mm. et le 24 25 février 2024, nous avons élection parce que nit ñi doyal nañu ci nguuru Macky bi. Mm-hmm. bu ci encore une fois euh, bu ñu bëggee xam kan moo document ce n'est pas un bouc émissaire à mon avis comme Amadou Ba pour mu wax leen fan la il l'a pris à partir de la page Facebook de euh, Juan Branco comme on waxnako déjà publié nako page Facebook Juan Branco la bu né page Facebook dañ ko Juan Branco kon soit ñu dem Juan Branco ou bien ñu xool dans la chaîne bo xamné courrier bi fa la jaar bi mu egg wara egg ci ministre de de la justice xamoo ndax jot nako wala jotuko mais en tout cas nit ñi gis nañ ko mais xana kay à tous les échelons là bu défé sen enquête war nañ ko mëna a mais il faudrait pas qu'on se limite qu'on se limite à et, et, et, et peut-être une, une dernière par rapport ak euh, la cour de justice de la CEDEAO bi waroon statuer tay euh, ci li nga xamantene mo ñël requête bu avocat Ousmane Sonko mais renvoyé au 8 novembre si je me trompe pas non c'est pas les avocats de Ousmane Sonko qui ont demandé mm -hmm c'est l'agent judiciaire de l'État Moi-même également non dama nous avons ñoo requête maintenant li nga renvoyé les agents judiciaires de l'État ont une connexion internet au centre ville également Il y a un problème d'électricité Il y a aussi une lecture Je vais dire dama simplement c'est une fuite en avant hmm. parce que euh, ngay le 8, c'est parce que la Cour suprême peut-être saisir mon décider avant ñuy au niveau de la cdao l'agenda de la cdao c'est très clair et ci li ma jot a xam ci fonctionnement CEDEAO mun nous nous ku nekk par écrit arguments argument la cour CEDEAO bi war na statuer sans pour autant qu'il y ait les parties qui viennent plaider donc euh, wafi au Sénégal qui benn euh, banques bu toll agence judiciaire de l'état nous le la de dama reporter affaire bi parce que simplement man damay am problème connexion pour moi c'est un faux fuyant bo xamné euh, mënul mënul mënul malheureusement jeex alors major merci d'être venu. mais on va dire quelque chose. très rapidement la page de de Juan blanc on peut voir la date à laquelle il a publié vous savez c'est des des superfiches que les gens font après qu'il soit inter interpellé gars ils vont nañu c'est à partir de à partir de là-bas que Juan Blanco a publié. très bien c'est vous dire des techniques. alors alors non, non, ils vont le faire. alors ils vont le faire. d'accord maintenant le conseil qu'on vous donne. Ah il ne faut pas subjectivité les poursuites. Très bien. un politicien qui commet une infraction de droit commun, chaque fois il a tendance à dire que c'est politique. D'accord. Mais éviter, éviter de faire des hein? herbes hein? Le report major. Mais le report, oui. Mm. quand les gens le demandent, c'est des questions techniques de sécurité, peut-être des questions de cohésion nationale et des facteurs de trouble. Est-ce que c'est le mais, cas mais, maintenant, non, y a le cas après, les gens évalueront. Mais si l'État évalue qu'il y a des questions d'insécurité ou des questions telles, les élections pourront être reportées. Mais pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Les gens se préparent à faire des élections libres et transparentes. Très bien. Mais les gens n'ont qu'à se comporter et prendre leur mal en patience. Celui qui peut gagner, tu, tu verras, tu vas essayer de gagner. D'accord, alors merci beaucoup. Là, Ma, Major Kandi, consultant expert également en investigation criminelle. Maudou Lamine aussi, beaucoup de ont eu à demain. À demain, Inch'Allah. Ah? à major aussi Benno Bokoyaka, major alors est Fatou à demain.